bienvenue sur votre émission préférée des jeunes, tous à la fada. montayo da aka karfafa 'yan shekarun ga da suka huce sabilin canjin yanayi. Le changement climatique, une réalité à laquelle les jeunes générations se confrontent de manière très brutale. Et selon les experts, ça va prendre encore des décennies si c'est pas prêt de s'arrêter. To, tasa de yawa sun shiga cikin wannan yakin. Kowanne cikin sana'ar shi da yadda dabarar shi yana kawo gudunmuwar shi cikin yakin da ake da wannan canjin yanayin da illan da rayuwar mu ta yau da kullum take haddasa ma wannan muhallin da muke rayuwa a ciki. À l'exemple de Greta Thunberg, la jeune Suédoise activement engagée pour lutter contre le réchauffement climatique et elle a embarqué dans son mouvement d'autres jeunes à Farindunia. Anna, filin guntiyena tsohuwar kasuwar yamage tana birnin yamai mu kuma muka ɗora fadar mu tare da wasu jeunes aussi engagés, tous engagés, chacun dans son expertise, chacun dans sa manière de faire particulière des fois. comme on nan ganin shi ma a kanin za a yi a takawa cikin wannan kariyar muhallin da ake a fadar mu ta yau elle est styliste et concerne en image et engagé aussi dans l'environnement. On l'a vu. Ça va, ma biba, Tu vas bien Ça va bien, merci. Super. Sois la bienvenue sur Tous à la Fada. Merci beaucoup. Ok. Nous sommes avec Ismaël euh, Abdrahman. Il est le coordinateur de l'ONG Save Environment. Ça va Ça va très bien. Yanni, la dama la dama, To, yago gormaya, ana tai To, muna Ok, ça va aller. Super. Nous sommes avec euh, Omar Salifou. Omar Salifou dit Origigi il est le président régional de la Massim. Ça va, Yakaki Alhamdulillah. On a besoin de vous hein, dans ce combat-là. Eh, on va voir comment faire. Inch'Allah. <laughs> To yanzu, mushi cikin wannan matsalolin mu na kasar mu wani irin matsaloli ne ke da kwai ke ku dan tuna muna ko da yake mu ma ana hucewa ana gani abun ne na cikin rayuwar mu ta da kullum muna gani wani abu ma yana déranger mu amma on va compter sur vous pour nous rappeler un peu nous ce qu'on a comme problème ici qui est lié au changement climatique, comment on le vit et les signes qu'on a ici au Niger. Comment D'abord, quand même vous êtes engagé dans ce combat, tout au long de cette émission, on va en débattre. Selon le guide climatique du Niger fourni par l'ONG PAIN pour le prochain et entraide protestante suisse et père en août 2009, au Niger, le changement climatique affecte les systèmes sociaux, économiques et naturels. Les impacts prévus au Niger sont wani kanancin ruwan kasa kamar irin wani na isa da ruwan sama ma kai banda wannan kuma zai taba ma noma da kiwo kai har da kamun kifi ma wannan dai canjin yanayin za a shi shi dai abin da yana da ban tsoro yanzu tambaya ta ta farko wannan amannan namu wanda muke tare da su a nan fada chaque pays ou plutôt chaque zone a ses réalités quand il s'agit des causes ou impacts du changement climatique to nanga mike on voit la environnement. comment on le sent ici c'est quoi les signes ici qu'on a ce qu'on ressent ici à Niamey, les impacts qu'on constate, c'est ce qu'on voit ou ce que ressent le reste de la population à l'intérieur du pays. Quoi. Et parmi ces impacts, il y a par exemple insupportable. Il y a euh, euh, une augmentation importante de la chaleur, surtout ces deux dernières décennies. Euh, nos aînés vous diront que c'est vrai, par le passé, il faisait chaud au Niger, c'est normal, c'est un pays sahélien. Mais, pas comme ces, voilà, pas comme ces deux dernières décennies où là, c'est ça devient carrément insupportable. 45 degrés à l'ombre, vous imaginez alors, euh, Oui. Alors, il y a beaucoup d'autres conséquences, comme par exemple l'assèchement des, cours d'eau. Vous voyez ce qui se passe avec, avec le fleuve tant qu'on n'est pas en période de crue. Le fleuve disparaît carrément. Il y a des espaces où les gens peuvent traverser à pied carrément. Il y a également le secteur de l'élevage qui est gravement impacté. les, les, les, animaux ne trouvent pas du pâturage. On, on semblait Madala, les saisons. Madala, Là, on ne maîtrise plus rien. on ne maîtrise plus rien. <laughs> Ouais, ouais, Par exemple, chez da ta Tahuchi, 2020, an yi ta jiran damana har mi ut sai da ut ma ku kusa kai karshe ka hinde a har samun ruwa na a zo a kuma da ta zo ta zo da da ta zo kuma ruwan sai sun ka zo da wani wani tsanani wani karhi wanda abun ga bannar da aka yi har yanzu bannar ba a samu an ka gyara wasu wasu lunguna ba ko kun gani ko mm. ok là c'est un peu plus clair yanzu euh, zan dawo wajen ki mabiba ina so in sani mun gani dai kwanakin baya tu avais fait un shooting il y avait des filles qui étaient habillées comment des robes en plastique et euh, tout de suite on voyait l'engagement on voyait le message comment tu as a cikin wannan ɗaukan fotunan da suka yi da wannan kayan da ledodi sai aka yi shi a cikin kamar wani shara hakan ga inda ke da kwai ledodi hakan ga engagement kin ganaki a wani lokaci ne ya fara ko da man tuwa satan terese alor engagement kin a lokacin da ya fara lokacin da nima na fara mod Okay. A lokacin nan ina yin mod amma ban san ma wani irin mod nike nan ga yin. Mm. Mod kin da nike nan ga yin ban san impact kin da yana kawo bisa kan environment kinmu mm. kenan dola ne ni na fara recherche kin et j'ai découvert que akwai mode da ake ce eco-responsable okay. menene mode eco-responsable mode ne da yana kula da environnement kinmu kenan mm. eh, ko créateur de mode yana hankali da kayan da yake aiki da shi C'est-à-dire que hmm. le matériel avec lequel ils travaillent doit être un matériel euh, éco-responsable, moins hmm. naturel, en tout cas qui a moins d'effet sur l'environnement. Et quand moi j'ai découvert cela, j'ai fait le choix de m'engager dans une démarche éthique et éco-responsable yanzu yanda kinka j'ai fait une collection avec des sachets et ces sachets ont été récupérés dans la rue euh, hmm. pour faire des vêtements haute couture. Et haute couture kinna sama muka ceinture verte parce que ceinture verte il y en a Ouais, ouais. Parce que histoire kinshi normalement c'est censé lutter contre la désertification. Eh, kuma a nan ne hallo ledodi ga sunan don kifale vraiment ledodi ba ledodi kadai ba in an shiga cikin centur vertikin ga komi da komi ko ina

on est avec Origigi. Origigi, euh, tu vas remplacer un peu les artistes ici. Yanzu cikin wannan euh, tahiyar da ake nan Ina so san kuma artiste kamar irin musicien. Ça vous arrive de vous engager aussi dans des combats comme ça? ana Niger koko dai il ne. a quoi artistes da suka engagés hmm. sur l'environnement. Je peux prendre euh, l'exemple de Salim Diapiter en a France, un Nigérien, il y en a reggae. Donc euh, il y a 4 ans de cela, zonanga à Niger, il a fait une tournée pour euh, sensibiliser euh, la population par rapport à l'environnement et l'eau. Ok. Voilà, donc à quoi artistes da suna ils sont ils sont pas nombreux, ils sont pas nombreux parce que l'environnement c'est un domaine euh, très complexe dont on ignore beaucoup aujourd'hui. Et il faut beaucoup de sensibilisation. On ignore beaucoup, mais comment on, ressent beaucoup de choses. Et On, vit, beaucoup de vit dedans parce que il y a chaque shakatawa, mais bai sani ba tawa shakatawa on doit tenir compte de certains paramètres chaque tawa ya yi 100% quoi ouais. ko parce que yow in mutane suna eh, degradé environnement king kaman bisa ledodi wannan da kuna cewa mm ba ta yiwa parce que yow un sachet ka san c'est des polymères ça te prend 4 siècles y ya yi dégradé le sol 4 siècles 400 ans ka continue aka ma wannan zaka tsuguna ma a gida kuma na gani cikin information kuma aka ce chaque année nous avons environnement 13 tonnes de sachets déchets plastiques qui se retrouvent en mer faute de recyclage Donc, to shimu eh, par exemple mabiba da tataho, muna nan muna kana nan gani an zakai tu vas embarquer encore plus de gens dans le mouvement euh, voilà comme muna nan ga aici tare Mm. Eh, kamar yadda yake kinnan ya ce in mutum bai iya ya sa eh, plastic bisa kan shi don mi environnement shi zai supporte zai doki plastikin kuma ba shi bai ci kosan ba shi bai ci dan fankasin da ka sira wala da <laughs> nan <laughs> wannan ya gaya ya ce eh, zahi a da ana zahi mai ba kamar na pas À cause réchauffement climatique, Kungani, l'assèchement du fleuve. il y a beaucoup le, la désertification. Les animaux n'ont pas de quoi manger, on n'a pas de lait du coup. Animaux de les, dodines Karim, hmm. apparemment, en fait, tout le monde peut apporter son grain de sel, sa façon de faire, pour faire euh, ce combat. En tout cas, euh, le combat, euh, il est rude, hein, mais bon, on va bien tenir et la Fada sera à vos côtés on va travailler ensemble et voir ce qu'on peut faire pour sauver notre environnement. Il faut rappeler que c'est le nôtre, hein. c'est pas l'environnement d'un extraterrestre que tu es en de sauver, quoi. <laughs> on va poursuivre euh, cette émission. Cette fois-ci, on va aller le voir. La rubrique de Nandi. Tu connais la rubrique hein. et on se retrouve juste après sur tout ça la fada. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de l'art le studio Kalangu présente. L'artiste s'exprime. Le livre doit être le meilleur de mes compagnons. J'en ai besoin pour toute ma vie, c'est-à-dire du berceau à la tombe pour me distraire, me former et apprendre auprès de tous les hommes et de toutes les cultures de la terre. Science sans conscience n'est que rune de l'âme. Sur cette émission, nous recevons des artistes. Ce numéro est un peu spécial. Il n'est pas chanteur. Il ne danse pas. Il n'est pas DJ. Il n'est pas humoriste. Il écrit. L'écriture a sa place sur l'émission Tous à la Nous recevons donc pour la cause bientôt les examens de fin d'année. Une pensée particulière à tous nos amis scolaires. Lundi dit la machine. Souhaite la bienvenue à l'écrivain. Eh mon ami, comment tu vas Ça va très bien. Tu vas très bien Oui, oui, alhamdulillah. Tu es en forme Oui, plein de forme. Tu vas commencer d'abord par te présenter. C'est important pour permettre à toute la jeunesse nigérienne de savoir à qui avons-nous l'honneur sur l'émission. Tous. Voilà. Fada. Hey. Lukman, parlons de toi sur l'émission. Euh, d'accord. Salut chers spectateurs, je suis saint Daoud Lukman, étudiant à l'université sus imf à Niger, faculté de relations internationales et diplomatie. Je suis l'auteur de ces documents dont réellement on est sur l'émission avec Donji Lamachou. Aujourd'hui, nous allons parler de toi. Nous allons parler de ton parcours. Nous allons parler de tout ce qui va avec l'écriture religieuse. Parlons de ta date de naissance. Pour euh, ainsi dire à cette jeunesse que c'est possible, à ton âge, d'avoir un document. Tu fais déjà ton mieux. Parlons de ça. C'est important. D'accord. Je suis né à Niamey le 31 janvier 1998. Quand est-ce que tu as commencé l'écriture j'ai commencé à écrire en, 2018. 2018 Donc ça fait pratiquement trois ans. Qu'est-ce qui t'a incité Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire Ce qui m'a poussé à écrire réellement, mon but, c'est d'être cet homme-là qui réellement va partager son savoir auprès des uns et des autres. Et c'est ça qui m'a motivé, qui m'a poussé réellement à partager mon savoir. Est-ce que tu as des auteurs qui t'ont euh, inspiré Des auteurs que tu as l'habitude de lire Qui t'ont poussé à la lecture Effectivement, comme Kamara Lai, ou bien Sekou uh-huh. ou bien euh, Boubou Hama, uh-huh. ainsi que plusieurs écrivains réellement. Par ailleurs, tu animes aussi des formations avec des candidats en vue d'en faire des leaders pour un Niger meilleur. Est-ce que nous pouvons parler de ça sur cette émission Ça fait partie aussi de ton parcours. Comment se passe cette formation effectivement, j'ai fait des formations avec des candidats mhm. à but non lucratif, juste réellement pour apporter mon soutien, pour les aider sur la méthodologie, sur les concepts sur les cours philosophiques ainsi que la dissertation et le commentaire en français. D'accord. Et je tiens toujours deux avec mes candidats. D'accord. Avec tes candidats. L'écrivain, les humains et la machine prennent donc congé de vous, amis, auditeurs et auditrices des 46 radios partenaires des studios calabo On se donne donc rendez-vous demain, même heure, même fréquence. C'est que la donne qui va changer. Nous allons parler, Inch'Allah, si Dieu nous prête longue vie, de mon bac. Sur ce, et nos jeunes engagés les super héros de l'environnement qu'on reçoit aujourd'hui surtout à la fada avec leur cap et celles qui coulent les cap <laughs> aujourd'hui on parle de leur lutte pour euh, la protection de cet environnement miné ne ya nasu wake justement ça semble euh, très très rude comme combat ina so in san akwai waɗanda ke kama muku cikin abin da kuke yi euh, Ismaël, à quoi on est comme dans cette mhm. lutte là, soit l'État ou ses partenaires. Ando ki misali na gwamnati. Gwamnati tana taimako habba kaɗan ba tana taimako eh, na zo a gani quoi. Nous dai personnellement à notre niveau, c'est-à-dire avec ces Environment, mu ba mu taɓa mun kai par exemple eh, wani kuɗi ko kuma wani lo na material a ce ku amsa wanga komin inda kuke intervenir ku ta ku bada su ko kuma non personnellement mu bamu taba samu wannan ba amma hotel de ville wannan mutane ne wanda muna aiki da su plus particulièrement bisa kan abun ga euh, journée de, nationale de l'arbre wanda muke ce ma 3 août fête de l'indépendance qui est couplée à la fête de, euh, nationale de l'arbre inde abun ya matso suna kiran mu on s'organise muna determine yaya ne wagga shekara za mu gabatar da mm. abubuwa kwa madalla za mu aiki tare da su suna muna taimakon abin ga shubkoki itace da suke bamu iyakacin wanda kake iya ka shibka ko kuke iya ku mm-hmm, shuka mm-hmm. da ba su ba akwai organism eh, ma'ana kungiya masu zaman kansu wanda mm-hmm. suke nan ga niger wani eh, bon suna da yawa gaskiya just a titre d'exemple example kamar misali su unicef su cooperation suisse da wane ne kwa suna da yawa wanda su ma suna taimako taimako ba kaɗan ba kwa pourquoi en fait on rame autant mhm. pour arriver euh, à bord euh, Yanzo, je vais rappeler quand même à nos auditeurs que émission ki mana qui c'est vraiment à l'occasion de la journée euh, internationale de l'environnement. Voilà, donc le samedi 5 juin eh, sabilin shi muka tuno hallo uh, muka gani ya cancanta mu ma a ce fada mun dawo hallo mun kara tunda tana ta stawa si on le fait jamais assez quoi mabiba zan dawo wajen ki yanzu tu as lancé un message fort avec ton shooting et euh, tout le message qu'il y a derrière bayan wannan ko kan wannan akwai wata kungiya ko haka suka ce ko za su kama miki ko bayan kin yi shi suka ce za su kama miki cikin aikin da kike tu as été approchée par euh, une structure en dehors de Save Environment qui veut vraiment, vraiment, vraiment travailler avec toi <laughs> Oui. Oui, pour cet événement, mhm. euh, je dirais non. Euh, comme il l'a si bien dit notre ami, mhm. Taimoko Iri Irine. Taimoko iri Irini, ne ba kudi kadaine ba Comme nous considérons yi que mu ne ya kamata mu kawo taimakonmu ba mu iya jira sai wani ya zo ya ba mu wani abu mu taimu yi no no mu ma mun ka gani cikin aikinmu dan lar on peut apporter eh, notre contribution shi yasa mun ka a wannan initiative wannan concept king mm. maintenant ce qu'il faut voir identifier euh, les, les ONG les associations euh, le, ministère de l'environnement les programmes qui sont là qui ont été mis en place ouais. minene ma projet kimu a Mabiba en tant que mode éco responsable Ya za ku yi aiki tare? Ya kakane za mu yi mu yi aikin tare. Mm. tunda Tun da dai taimako kowa yana kawo a eh, gudunmuwan shi ne. Mu a notre niveau ne ya kamata mu kawo musu su a leur niveau ne ya kamata su kawo muna. Kwamsa mu yi kreye e, eh, synergie don saboda mu ci gaba mu duka. a samu a yi bon yanzu da muke nan ça t'inspire tu vois un peu les les trucs qu'on peut faire oui les artistes peuvent se lancer euh, inkunduba dire moi je me souviens quand on était encore euh, à l'école primaire dans les années 80 ouais. et dans nos programmes il y avait ce qu'on appelait la salubrité mhm, mhm. et dès le CI on enseigne. C'est vrai, À tout Nous, avant, on faisait ça. Voilà. C'est-à-dire, au niveau de chaque école, on initie la salubrité pour les jeunes. Yara, déjà, ils grandissent avec cet esprit de protéger l'environnement. Déjà, là, c'est une base aujourd'hui que nous n'avons plus. Et quand vous prenez, jusqu'à dans les années 90, il n'y avait pas les piawata. Non. Ça n'existait pas. C'est ça On a des gourdes. C'est des gourdes voilà. nous ah, Voilà, c'est des gourdes. Et vraiment, on faisait attention à l'environnement. On faisait attention à cela. Et là, ah c'est comme un cri de cœur aujourd'hui par rapport aux décideurs. Parce que Soune, Yakamata Yau, pour euh, aider l'environnement à respirer, d'initier ce genre de projet qui a fait des succès. que ça a réussi. Mais yo, malheureusement, nous n'avons pas ces, ces, ces, projets. Kungayara, ils s'en foutent. Ils sont à wata, sunacha yeda, babu poubelle, babu onabo. Muni, ina chicken, wani à dana chemishi NCC, Nigérien cyber citoyen. Ok. Donc, bis internet, muna waye kem, pas de sensibilisation. C'est pour ça, ranan da muka shooting kinang euh, munsashi mun sashi kaman internet. Et une communication, tant qu'elle ne choque pas, elle n'a pas son impact. C'est vrai. Voilà. Donc on a besoin, là si je comprends, Origigi, on a besoin d'un clip. Voilà. Avec euh, les artistes. Voilà. Qui touchent. Euh... Souni, <laughs> Souni. Le titre c'était. Euh, comment on appelle ça Il y avait Denke Denke dedans, Maliaro, les Fénaux. Il y avait quand même des artistes, Laïcha Toussoga. Ils étaient nombreux, ils avaient fait un son. Irlabo, si vous tapez sur YouTube, kuna samun me l'a beau, je sais pas, c'est irlabodé quelque chose. Voilà, donc ils ont fait un clip par rapport à la sensibilisation. ils avaient fait ça, fisekou Kouyangobon. Ça à Bina. Parce qu'en ce moment, on faisait, on a commencé notre première opération, Nangaram point justice. Mm. Avant, Kusaga justice. Il y avait euh, Wani Poubelle, Baba, Mune Mouyi Shara, Wirina, Yazama Parking. Muntei Talaje, Talaje dans une école poubelle ne habite avec da da poubelle tout ça les gens ne prêtent pas attention Au Chine, Mumunaso, à travers vraiment la culture à travers les artistes véhiculer des messages positifs pour protéger euh, l'environnement. Les artistes ont des voix qui portent, qui portent très loin. Euh. Tant, Yanzu, comme tu l'as dit, on va le chercher. C'est celui qu'on va lancer aujourd'hui sur euh, la FADA pour rendre hommage à ces acteurs culturelles, de tous les horizons qui œuvrent euh, des fois côte à côte, des fois pour protéger, pour lutter contre euh, cette dégradation, ce bouleversement de notre environnement. Et on se retrouve juste après le collectif des artistes nigériens sur l'environnement. les sociétés civiles en mission pour stopper leur évolution, l'économie bancalisée, l'éducation sacrifiée, la santé n'est plus une priorité, fraternité, travail et progrès, ma devise est banalisée, banalisée. On va de l'avant en reculant, pas en avant, deux pas en arrière, comme un ivrogne après ses billes Le pays souffre de ses dirigeants, Omniprésent uh-huh. Omnipotent uh-huh. l'échec est arté tous les secteurs. Uh-huh. Trop de débats, à tous futiles, dialogue stérile, dialogue inutile, conduisent à la dérive. Aujourd'hui, euh, avec euh, Mabiba, et les styliste. Nous sommes avec Ismaël de Save Environnement. Nous sommes avec Omar Salifou, qui représente les artistes sur la Fada d'aujourd'hui. On attendait euh, ONG APES, qui n'est pas encore là. Bon, il va nous prendre un cours. To, yo, hira kariya muhalli. Mais, ba kariya muhallin kade ba aikin da suke Dan kariya muhallin wannan aikin da suke gudunmuwa da suke kawa hira shi muke nan ga qui Muna so musan, Qu'est-ce qui vous bloque dans ce combat que vous menez Abdul euh, Ismaël, qu'est-ce qui vous bloque alors, disons qu'il y en a beaucoup, franchement, et je commencerai par le, le, plus grand et le plus grave hein. parmi mhm. les, blocages, c'est les préjugés sociaux. Aujourd'hui, très malheureusement, au Niger, on est dans une société où in ka sa kanka cikin wannan yakin kuwa mhm. yanzu misali a ɗauka a example in abin ga kawarmu mabiba mm, mhm, mhm. frenchman mu save da ka gani fotunan sama internet ca mun kai wow masha Allah muka ce ashe ba mu kaɗai ne muka damu da wasu abubuwa ba kuwa parce que akwai mutane da suka yi partagen fotuna di ku esprit de curiosité kun gane kamar kwankwanto aka ce a hausa sai ka kai ka diba madalla na ta na diba commentaire mais fallait pas voir Il y a des commentaires qui sont choquants. C'est-à-dire, on ne voit pas le message voit pas le, message, l'importance, oh le pourquoi, l'objectif pour lequel elles ont fait ça. Donc ah. vous voyez, c'est pour vous dire qu'en fait, les préjugés sociaux portent gravement atteinte à certaines luttes qui sont euh, quand même nobles pour le Niger et pour le monde entier wallahi yalla a le group da wane ne ana yabo fait par les nigériens par les nigériens et pour les nigériens une sorte de démocratie culturelle kun mutane ils se sont jetés là-dessus ils sont critiqués et tout tout fait, ils n'ont pas vu euh, le combat, le message qu'il y a autour de... Là, ils parlent de, de tout ce qu'il y a comme euh, jugement, mais très mal placé <laughs> et une incompréhension sur euh, les façons de faire, sur les façons de mener cette lutte, carrément subjectif, pas un peu. En plus de ça, vous savez, moi, je, je, peux essayer de les comprendre. Parce que c'est un message qui est quand même fort, fort pour eux. Et euh, comme je le disais euh, dans une de mes vidéos, je disais que euh, kasa da analphabétisation King yayi yawa, yayi yawa. imagine 30% de la population Qui ne école. Ouais. Euh, combien de pourcent ne sun yi babban karatu? Ouais. Kun gani. Euh, irin wannan message. a population kin niger bamu iso nan da za mu iya gane shi musan menene cikin foto wannan in ka kalle shi mai wani mesaji ne ake so a gayi mm-hmm. ka gani ko ba kowa yake iya karanta abun da aka rubuta shine problem kin ai amma eh, wannan mesaji kin ya yi shock babba ga mutanen da yawa mm-hmm, mm-hmm. kenan mm -hmm. shock kin wannan c'est de maintenir le cap Chicken sensibilisation king. C'est vrai. On s'achemine tout doucement vers la fin de cette émission. On va accueillir Olivier, notre chroniqueur chouchou de la FADA. chronique Et on va se dire officiellement au revoir sur cette émission. <coughs> C'est bon Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Aujourd'hui 5 mai, c'est la journée dédiée à la protection de l'environnement. Et bien, ce soir, nous allons mettre le buzz de la styliste nigérienne Biba Kunche au cœur de notre chronique. Sur la toile, ce sont les images d'une des séances photos de la styliste nigérienne Biba Kunche qui a fait le buzz. Un buzz alimenté par la curiosité des uns et la critique des autres. Commençons par les plus curieux. D'abord, prendre une, photo. Prendre une photo sur un dépotoir est un fait inhabituel au Niger. Et même s'il fallait le faire, on peut retrouver des images de mendiants ou encore quelques recycleurs qui fouillent les décharges publiques. Ces photos sont acceptables pour la plupart des internautes nigériens. Mais voir des jeunes filles, bien dans leur corps, s'habiller avec des, s'habiller avec des sachets plastiques au milieu d'une décharge publique, poser et faire des photos et aller jusqu'à les poster sur les réseaux sociaux, alors là, c'est du nouveau et plusieurs internautes l'ont fait savoir à travers leurs posts et commentaires sur les réseaux sociaux. Pour les plus critiques, des photos de jeunes filles visiblement ambassadrices d'une marque sur, des décharges publiques, sur des n'attirent aucun client. aucun client. Certains vont jusqu'à se demander à quoi ça sert des habits faits en sachets plastique sous un soleil ardent du Niger. Plusieurs questions qui nous ont envoyés à des recherches. Eh bien, cela s'appelle la mode écolo. Une nouvelle donne que les adeptes envisagent responsable et éthique. Selon le blog warob.fr, l'industrie du, textile est le, du textile est le deuxième secteur le plus polluant après le secteur de la pétrochimie. Eh bien, si au premier regard, l'industrie de la mode ne semble pas écologique, on peut voir loin en s'interrogeant d'une part sur comment nos habits, nos chaussures, nos accessoires de mode sont fabriqués, et d'autre part sur ce que deviennent nos habits, chaussures et autres accessoires de mode amis auditeurs et auditrices, dans l'espoir que la réponse à ces deux questions vous aurait aidé à mieux comprendre la démarche écologique de la mode, je vous prie de recevoir nos salutations les plus écologiques en cette journée dédiée à l'environnement. Eh bien, amis auditeurs et auditrices, à demain pour une nouvelle chronique. Spoil, demain, on va parler de la photo buzz du président Mohamed Bazoum. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye. Merci bien, Olivier. Mais voilà, c'est la fin de tout ça, la Fada française. à Oussan. Nous étions avec euh, nos super héros de l'environnement. <laughs> On a survolé. On a parlé de la protection de l'environnement. Nous étions avec Mabiba, styliste, nous étions avec les jeunes de Save Environment, Ismaël, nous étions avec Omar Salifou. Et ce qui ressort de cet échange, on ressent tout votre engagement, on ressent euh, toute cette belle énergie que vous voulez amener dans cette lutte et euh, cette innovation, ces messages pleins de symboles que vous voulez partager. kowa mai daɗi kuma muhallin namu hallo mu ji daɗin rayuwa cikin shi sai lafiya da tusa lafa da kamsa sai mu ce a huta lahiya.